Bonsoir amis internautes, bonsoir et bienvenue Télévision Kebemer TV, première chaîne digitale du département. Donc merci les gars, merci beaucoup comme nous l'avons dit, actuellement, à tout moment nous nekk di leen indi le résumé yi li jot a xew ci bi première journée bi ak deuxième journée jusqu'à présent nous sommes ngi troisième journée bi troisième journée bi nag euh, première heure AIC Manko AIC euh, Darou Salam AIC Darou Salam Moko ko ñaari

parce que tirer le penalty bo boo xam te ni Darou Salaam am c'est la même situation mo am même situation pourquoi mu tirer ko Darou salam xagn ko manko man lolé sans problème donc à l'avenir ñom li ñuy tirer ba équipe A nañ ko tirer équipe B man loolu rek lay laaj. Ah, maa ngi koy ñaan maa ngi koy ñaan parce que ñoom ñooy kon ne di arbitré ah mais nag ñu gën leen ñaax conscientiser leen xamal leen ni carrément fii ñu ngi def ay l'erreur yu nen da nga accepté mais persister dans l'erreur c'est diabolique mu wax leen ko moom ñoom ñu dégg merci beaucoup jërëjëf coach ñu ngi lay nuyu. waaw ça va ni alhamdulilah. match bu difficile donc waaw euh, euh, la gis match bi. waaw match bi ñëpp gis nañ ko parce que match bu difficile la parce que première mi bi gis nañ ni ko joué ay perte balle ay mal placement mais loolu moom ak ñoo ànd mais après deuxième mi-temps bi ñu ñëwee dama replacé waat samay joueurs ni leen def leen ndànk parce que man xam naa li ma entraîné samay joueurs te ñoom tamit. xam naa leen man ak ñoom ñoo foondoo waaw moo tax après deuxième mi-temps bi ñu bi def changement yi suñu borom defal ñu ñu am ci deux bi penalty nag moom joueur bu mag moo koy dugal moo koy rete parce que kuy kuy raté occasion penalty kuy occasion parce que c'est le jeu quoi. alors ñu euh, premier mi bi euh, c'est occasion euh, système de jeu non instant première minutes 15 nous indi jeu. mais après nous sommes joueurs nous n'avons jeu bi comme si dañuy daw un mm, rythme.

Maintenant, donc mon mot arbitre euh, alors Pape les les donc match bi nga maintenant mon opposé woon léegi ASC Manko ak Darussalam Salam ñu la prestation donc de ton arbitre central donc au Sy notamment ci 41e minute bi donc Darussalam Salam plutôt waa Manko mon donc Ben but bi nga euh, plutôt corner le jógee donc waa qui def coup de pied retourné double bal mais arbitre donc euh, refusé but alors la cause de cela beaucoup mais aussi tamit évidemment à la 75e minute on a vu aussi un pénalty parti donc à l'AIC Manco ba bi ñu micro donc euh, coach ASC Manco vraiment il s'est plaint de la prestation de ton arbitre les ñu xam franchement yo, en tant que président des arbitres ban xalaat nga am ci euh, prestation arbitre avec ak euh, ñaari occasion yooyu donc globalement prestation arbitre je man interview sur ma parce que c'est pas le lieu et le moment donc pour les première action bi nga c'est un jeu dangereux coup de pied retourné donc il le contact donc il def un jeu dangereux donc fera un direct. c'est que l'arbitre a a fait il n'y a, rien là-dessus. Il a bien appliqué la loi. Mhm. Donc, deuxième action, penalty ça. ressentez parce que penalty leone donc euh, de toute façon euh, on a vu euh, le joueur de l'AIC Manco. donc il faut que dans la surface de réparation n'y a pas penalty la mais ton arbitre a dit que donc le jeu peut continuer et vraiment ça a carrément vraiment mis en colère le banc donc de l'AIC Manco. alors ñu a ci explication mais malheureusement nee a yow action non pas vu l'action. Il a pas vu l'action, franchement. Voilà, alors donc euh, n'ayant pas vu l'action, certainement tu ne pourras pas faire de commentaires là-dessus. Euh, beneen affaire bon euh, les gars se sont plaints encore par rapport à l'arbitre. donc parce que exactement c'est un arbitre stagiaire donc qui n'est pas ici ou extra je pas trop alors le itam a pour que nit ñi exactement qu'il a les compétences pour mën officier match bu mel bu mel ah non xam nga ni loolu waxul nawetaan dañuy wax rek. équipe boo gagné mu mais l'arbitre ce qu'il a fait là, il n'a pas foutu techniquement. Donc l'arbitrage peut avoir des déchets. Donc du point de vue comportement, etc. Mais techniquement, technique, il n'a rien fait de mauvais. Ok C'est un arbitre de ligue. C'est un arbitre de ligue, ligue j'ai dit. Il fait le championnat du Sénégal. Il Kawé. 6 division. Le Sénégal est en 6 division. Donc, nous, nous, nous, c'est un arbitre de ligue comme les autres arbitres comme arbitre donc l'arbitrage c'est comme ça alors donc président des arbitres vous donc pour le choix de tes arbitres donc tu confirmes qu'effectivement tu prends donc évidemment de très bons arbitres ils ont le niveau d'officier de match bi nga di sañoon ko seen bopp mais xam nga tey jii nii mënoo def 100 match match yëpp baax même arbitre bi nu yaakaar ni mooy numéro en par match rek koy jugé li muy def ci terrain rek la ñuy jugé donc tey jii nii bu ñu jëloon fii Sokora Kébémer peut être numéro un bi dañuy Mansour Dieng la mais mën naa def ñaari match yu baax ñu jaar à côté yooyu yëpp mën na nekk. man na pêcher techniquement moo arbitre kenn du ni moo fi dàq arbitrer wala mo fi defone demb lu mu def rek dañ koy sul li mu def tay moy compter production def nañ ay match ñom arbitre yi jot def nañ ay match donc peut-être ñepp apprécier kon gis nga <laughs> l'ingratitude des gens dañuy japp ni way dañ ñu xép motax tax ñuy jox arbitre yi mais dedet parce que équipe yépp tollu tolluwuñu donc arbitre est aussi tolloowuñ mais tu ne peux pas avoir un groupe de 40 personnes qui prend toujours deux ou trois personnes mais c'est impossible c'est a Donc, il y gis un arbitrage qui ni on sait très bien qu'à à ici les gens travaillent très très sincèrement nous avons les meilleurs arbitres Nous savons donc dañuy liggéey chaque jour que je dañuy dem école bu l'école. deux heures lañ fay gagner, deux heures Nous, terrain buñ ñu ñoo ngi def match yi ñu def dañuy def critique bi feedback bi xol li ci baaxul ak ci mais ken l'œuvre humaine n'est pas parfaite Quelqu'un ta def donc masse bo xamni day à 100 donc on juge tout simplement dans l'acceptabilité donc on regarde aussi ce qui est technique c'est ça le problème c'est ça le problème par rapport donc au public eux ils regardent l'aspect esthétique peut-être ou bien ce qu'ils comprennent ou bien ce qu'ils pensent être or ce qu'ils pensent être man la bañ nous on évalue donc l'aspect technique est-ce que mon est-ce qu'il a appliqué avec bienveillance les lois très bien euh, alors là bon franchement y eu un inspecteur match bi donc bon, on a occasion l'occasion de regarder penalty donc toi tu n'as pas suivi franchement là ça aussi donc euh, il donc vraiment il y donc mu a doute parce que comment tu peux être l'inspecteur du match ba pareil alors euh, supposé inspecter comme une technique etc., et tout ça et un tel penalty donc rombe, toi tu n'as rien vu. non c'est ça regarde l'emplacement des gens.

match yi day am deuxième match am des fois da lay soxla ci yenn yi donc moo tax des fois nga jóg immédiatement wala ñu soxla feneen nga daal di mën a kiyaat moo tax action boobu man gisuma ko parce que da lay baare waaw moom naan la gis naa ko man du ma fet lu ma ci jaral non mais parce que nit dan lay baare fi ngay toog moo dul baax. kon nag dem non c' est de l' insécurité yi meex yéen xam ngeen ko wala fi ni mel même les arbitres yi toog fii amuñu sécurité te loolu baaxul parce que main courante wax. Ben quoi, normalement mais ça c'est trop. c'est merci. merci président donc euh, Pape merci merci merci bro. ya yi kura ya ayo dan dai fai shi kuwa bari aga ta fi ga to men amun ne da ku mara dan na fala shi aga Allah bi ku atrek mama ini ko haraf au madafar ni para misalin dan problem ne on way subhanallah Thank you.

naa a yokkaat liggéey rek xam naa fu ñu toll daañu am temps gën a mën a travail waat encore li nga xam loolu rek la quoi affaire moom amul nëbbo liggéey la rek liggéey ñamee entraînement yi di déglu sa coach lu mu lay wax nga daal di nekk quoi li ñoo fait la force on est une groupe soudée ñu ngi siy gën a jàpp daañu gën a liggéey bu soobee yàlla incha allah rabbi merci beaucoup waaw salaam tey jii waaw ñu ngi lay nuyu nag Mamour yi ñu ngi lay nuyu vraiment li ngay def liggéey bi rafet na tanto Kébémer gépp ñu ngi rafetlu li waa Kébémer TV di def ma leen di wax big up waaw match Daaru Salaam tey jii ni ko gisee waa gis nga première partie muy 45 minutes yu njëkk yi gis nga daanaka maa ngi ko def ko football ci sunu kaw. mais deuxième mi-temps bi gis nga changement yi ñu def daanaka bi mu dikkee moom moo changé match bi xam nga équipe bu jugee ba départ coach am xaw a tawat. waaw mu dikk ñu négocier ko ba nga xam ne deuxième coach bi moom moo taxawoon gérer match ban mën a am 2-0. waaw loolu sant yàlla la quoi di ñaanal nag équipe bi li ci des ci ginnaaw ci ay match yëpp mu gagné ko parce que tamit match moom loolu la benn par benn la si toutefois nga pare benn match rek waa léegi dañuy jéem a préparer deuxième match bi nga xamante ñun ak benn pal yi ñun ñoo ko war a fubal mu nekk match boo xamante jàpp naa ni waaw Kébémer gépp dinañ ko seetaan si parce que match bu rëy lay nekk ñu ngi nag nuyu waa Kébémer gépp gépp gépp gépp gépp di nuyu ñi nga xamante ñoom ñooy joueurs yi nga xamante ñoom ñooy fubalal Daaru Salaam di nuyu bi nga xamante ne mooy capitaine u ASC Daaru Salaam nuyu ñëpp ñi nga xam ne tey ñoo nekk Darou Salaam tey daal lu ma la a wax mooy kontaan nan kontaan nan waa Darou Salaam kontaan nan franchement parler ñun ñëpp kontaan nan ASC mag bi kontaan na big up nag yéen Kébémer TV kenn du dijje max tuum yaa fi ne waaye